Chers auditeurs, auditrices fidèles, téléspectateurs et téléspectatrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou, votre émission quotidienne qui traite de différents sujets de la société. Nos programmes sont diffusés via notre réseau de 52 radios partenaires dans tout le Niger, ainsi que cette télévision partenaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la langue maternelle dans l'éducation. Le Niger a célébré le 21 février 2022 la journée internationale de la langue maternelle. Cette date a été choisie pour rendre hommage aux étudiants tués par la police à Dakar, capitale actuelle du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que la langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. Alors, la journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en novembre 1999. De nos jours, avec la globalisation de l'économie, la migration des populations dans le monde, la domination de certaines langues par rapport à d'autres, on a tendance à oublier l'importance de transmettre la langue maternelle à ses enfants. Donc aujourd'hui, nous avons jugé utile de parler de l'importance de la langue dans l'éducation. Comment connaître sa langue maternelle Quelle est la différence entre la langue maternelle et la langue officielle Comment la langue maternelle peut-elle être enseignée quel est le rôle de la langue maternelle dans la construction de l'identité Autant de questions qui suscitent autant de réponses. Justement, pour répondre, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Koro Hamadou, dit Mahamadou, anthropologue, membre d'un groupe d'études et de recherche en langue nationale. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Nous avons aussi sur ce plateau M. Maman Bachir, il représente le ministère de l'Éducation nationale, précisément de la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales. Bonjour, Monsieur Maman Bachir. Nous avons aussi Monsieur Seydou Tama, directeur de l'école primaire Madina 3. Bonjour, Monsieur Seydou. Bonjour, Madame. À la modération, je suis Hamed Sid Donc, euh, j'ai envie de connaître euh, avec euh, Docteur Koro le sens de l'anthropologie. Merci Madame de l'occasion que <laughs> vous nous donnez pour euh, parler d'une science euh, en si peu de temps parce que l'anthropologie c'est une science. Alors nous allons définir de manière à vous permettre de maintenir cette définition qui est très simple. L'anthropologie euh, en constitué de deux termes, anthropos et logologie. Alors, anthropos, ça veut dire homme. Logologie, ça veut dire étude. Donc, euh, anthropologie, ça veut dire étude de l'homme. Alors, étude de l'homme, il n'y a pas que l'anthropologie qui étudie l'homme. Alors, de par cette définition-là, on peut la qualifier des sciences capitalistes qui veut tout s'accaparer autour d'elle. Mais par euh, extension ou par restriction, on a limité euh, cette science-là à la notion de la culture. Donc euh, l'anthropologie étudie l'évolution des sociétés à travers leur culture. Alors quand on parle de culture, c'est un complexe qui comporte cet élément sur lequel nous allons débattre, la langue. Voilà de manière résumée ce que nous pouvons euh, retenir. Merci, docteur Koro. Monsieur Maman Bachir, vous représentez la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales. Expliquez-nous la mission de cette euh, direction. Merci madame. Donc euh, je profite de l'occasion pour vous remercier pour nous avoir euh, invités sur ce plateau et de débattre d'un sujet qui est d'actualité très important. J'aimerais donc euh, vous dire que la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales, comme son nom l'indique, a deux missions principales. La première mission, elle est chargée de la mise en œuvre de la réforme curriculaire, mais aussi de la promotion des langues nationales à travers l'introduction des langues nationales à l'école. Elle s'occupe également des innovations pédagogiques, notamment quand il y a des innovations pédagogiques, c'est donc euh, cette direction qui est chargée du pilotage, si vous voulez, des innovations afin qu'ils puissent vulgariser si on les juge utiles. Voilà un peu euh, de manière euh, brève bref les attributions de cette direction qui est la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales. Merci. Monsieur Seydou Tama, directeur de l'école bilingue Madina 3, quelle est la particularité avec euh, les autres écoles Donc, euh, merci euh, au studio Kangou de, nous avoir accordé ce temps. Donc, la différence entre l'école bilingue et les autres, c'est que nous, en plus, n'est-ce pas, de l'enseignement traditionnel, donc on fait aussi l'enseignement bilingue. C'est-à-dire, on enseigne dans les langues maternelles, en Oussa et en Germain. Merci bien. Nous allons revenir vers euh, docteur Koro. Qu'est-ce qu'une langue maternelle Bon, <laughs> une euh, langue maternelle, c'est comme son nom l'indique. Il y a déjà la maternité, donc euh, ça veut dire la langue avec laquelle l'individu naît. Alors, il est très important d'expliquer, comme bien même nous ne sommes pas spécialistes, comment se faisait ce contact euh, entre la mère et l'enfant, surtout quand elle est, euh, quand elle est enceinte. Donc, à travers les propos qu'elle tient, si elle chante, si elle parle, tout ce qu'elle fait dans sa langue, automatiquement, il y a une interaction entre le fœtus et tous les sons qu'elle émet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est un exemple que je vous donne. Donc, de par ce biais, l'enfant déjà est habitué à la voix et à l'intonation. Si bien que lorsqu'il naît, il évolue toujours dans le même environnement. Sa mère d'abord, le foyer, c'est toujours le même langage. Le quartier, le village, c'est toujours le même langage. Et une fois qu'il quitte cet environnement-là, il va certainement être confronté à une autre situation. Ça peut être la même langue, mais avec des individus différents. Ça peut être une autre langue. Alors là, ça va être un problème pour lui, un problème d'adaptation. Mais toujours est-il que les prémices de l'éducation, d'apprentissage, sont l'apanage de la langue maternelle. L'enfant, dès qu'il naît, il vit dans l'environnement de sa langue maternelle. Docteur Kouraou, une autre question. Et qu'en est-il de la situation des enfants issus des parents sourds Bon, vous savez, ici en Afrique, nous vivons dans le système de communauté. Les sourds ne sont pas euh, une communauté isolée. Il y a un cadre social alors, les enfants des sourds, parce que cet état de sourdité peut s'expliquer soit un fait inné, c'est-à-dire l'individu né avec, ou alors à la suite d'une maladie. Dans un cas comme dans l'autre, l'individu qui naît à travers ce couple-là va évoluer. Il ne sera pas sourd parce que ça n'a pas été démontré scientifiquement que la sourdité est un virus ou en tout cas une maladie à gènes qu'on peut contracter à travers les germes. Donc c'est une situation qui est là et l'individu qui évolue, il a un cadre familial dans lequel même si son père et sa mère sont sourds, les frères et les sœurs de ses parents ne sont pas sourds et l'environnement dans lequel il évolue, il n'est pas sourd. Donc ça va lui permettre non seulement de maîtriser cette langue dans laquelle il évolue, mais en même temps de maîtriser un autre langage qui est celui-là gestuel et qui est universel. Voilà. Merci docteur. Puisqu'on parle de l'importance des langues dans l'éducation, je vous invite à écouter l'avis de Souleymane alias Rejeto. Il est journaliste et écrivain à langue nationale, fruit de l'école française. Rejeto a bénéficié d'un cours d'adulte pendant ses vacances à mais en 1986, alors qu'il était jeune. C'est ma langue. Donc vraiment, il y a cette fierté quand, j'écris et que je lis dans cette langue. Je n'ai pas eu de difficultés parce que c'est ma langue. Peut-être j'ai découvert comment écrire seulement quelques alphabets que je prononce, donc je ne sais pas comment on les écrit. vous savez, étant déjà euh, quelqu'un qui a suivi le cours de l'école primaire, donc qui avait les alphabets euh, français dans sa bouche, donc il y a certains mots en que je ne peux pas écrire. Par exemple, le K, le quoi, tout ça là, tu vois, il y a tellement de le faire, par exemple. Euh, donc, il y a tout ça là que je ne peux pas écrire, mais je l'ai découvert euh, à travers l'apprentissage. C'était vraiment euh, une petite difficulté que j'ai rencontrée. En tout cas, étant Aoussa ou Germain ou Peul ou bien d'autres, Tamachek et autres, tu devrais apprendre à écrire dans ta propre langue. C'est en ce temps-là que tu vas parler même de l'indépendance et de ta propre autonomie. Tu n'es pas libre quand tu ne peux pas écrire et exprimer bien dans ta propre langue. Ça, il faut que le Nigérien le sache. Tu ne peux pas développer ce pays à travers la science et bien d'autres matières sans les apprendre dans notre propre langue. Nous venons là d'écouter Rejoto Monsieur Maman Bachir, vous représentez le ministère de l'Éducation. Quelles sont vos impressions par rapport au témoignage de Rejeto Merci, madame. Donc, euh, la première impression que j'ai, nous avons écouté quelqu'un qui a pris conscience de l'importance même de ces langues nationales. Et à travers euh, cet audio-là qu'on vient d'écouter, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quoi C'est le fait qu'il dise qu'il connaît déjà l'autre langue. Et ça lui a permis très facilement d'accéder à à, la codification de sa langue maternelle. Comme quoi, vous voyez, si on commence l'enseignement à langue nationale, c'est-à-dire nous faisons l'enseignement à langue nationale, quand nous disons l'enseignement à langue nationale, ce n'est pas la langue elle seule, non, non. On veut par là apprendre les apprentissages fondamentaux dans cette langue-là avant de passer à une langue maternelle. Comme quoi, vous voyez, déjà, il a un de l'alphabet qui est supposé être presque le même. Donc, à travers ça, ça lui a facilité d'accéder à la codification de, sa, langue, maternelle. Donc, Parce qu'il disait que c'est sa langue maternelle, il est Oui, c'est presque le même alphabet. Pour vous montrer que plus, quand vous rentrez par les langues nationales, là aussi, ça vous donne plus de facilité d'accéder très rapidement à la langue étrangère ou bien à la langue officielle. Et maintenant, une autre impression que j'ai, ça c'est reconnu de tous, la science a montré que un enseignement donné dans sa langue maternelle, dans sa langue maternelle, ou bien moi, j'ai un peu, je suis gêné en parlant de la langue maternelle. Je reviens à ce que la définition de Tonton a dit pour essayer. Je suis gêné par rapport au terme langue nationale parce que chez nous, nous préférons parler de la langue première que de dire la langue maternelle, maternelle. qui prête un peu à confusion. Quand on dit la langue maternelle, on a l'idée que cette langue-là, elle appartient seulement, elle vient de la mère, alors qu'elle peut être la langue du père, la langue du voisin, la langue du millier. Donc, nous préférons vraiment, quand à la suite de ces débats-là, vous allez voir que moi, je vais avoir tendance à utiliser beaucoup plus la langue première, qui est supposée être de manière classique ou traditionnel, ou l'appellation vulgaire, la langue euh, maternelle. D'accord. Merci, Monsieur Maman Bachir. Euh, Monsieur le directeur euh, Seydou Tama, quelles sont vos impressions Nos impressions, c'est qu'ici, vous avez vu, il a essayé de faire, n'est-ce pas, le lien entre ce qu'il a appris, n'est-ce pas, à l'école traditionnelle par rapport, n'est-ce pas, à l'enseignement de la langue. Donc, vous voyez, malgré les, compétences, n'est-ce pas, qu'il a au niveau de la langue de molaire français, donc vous avez vu, il y a une nuance entre l'alphabet en français et, celle, n'est-ce pas, de, de, la langue Hausa. À travers, n'est-ce pas, l'alphabet. Vous avez vu, il y a des choses qui n'existent pas en français, mais qui existent euh, en Hausa. Donc, ce qui veut dire que vous voyez la richesse même de, de la langue Hausa. C'est vraiment une langue très, très riche. Docteur Kourou, quelles sont vos impressions Et Je constate euh, que ce monsieur a un amour. Euh, pour sa langue, pour avoir euh, pris l'initiative ou d'apprendre à travers euh, une tierce personne. Et certainement, cette personne-là n'est pas, euh, parce que c'est un cours d'adulte, dispensé par un expatrié. Alors, si déjà cet expatrié-là a pris son courage d'apprendre au point d'enseigner à ceux qui parlent cette langue-là, ça veut dire que c'est une langue quand même qu'on peut enseigner. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est lui qui a été à l'école, donc euh, qui pouvait et se comporter comme font la plupart des intellectuels. C'est-à-dire, lui, il a atteint un stade, donc ça ne sert à rien pour lui de revenir. Et de revenir pour euh, se rabaisser, apprendre euh, l'alphabet ou bien la, langue Hausa. C'est le sentiment que beaucoup d'entre nous faisons. En réalité, c'est ça le vrai, le vrai sentiment d'appartenir à une communauté. et, il a dit par la suite que cet apprentissage-là lui a permis d'être autonome lui a permis de recouvrir son indépendance. Alors, c'est ce que nous cherchons. Ce terme indépendance-là, ça fait combien d'années que nous sommes sous du 1960 à maintenant on parle de pays indépendants. On parle de pays indépendants. Et voilà que ce témoignage-là nous fait comprendre ce qu'on entend par indépendance. Ce n'est pas vous avez ceci, vous avez cela, mais tant que vous n'utilisez pas vos langues nationales, <laughs> vous n'êtes plus indépendant. En tout cas, c'est, le sentiment que moi j'ai, j'éprouve en écoutant les propos tenus par le feston Regeto. Et puis, vous savez, l'écriture de la langue vous confère beaucoup de choses, beaucoup d'estime. La première des choses, c'est que vous éprouvez un plaisir d'être vous-même. Et en vulgarisant cette manière de faire-là, il y a beaucoup, d'éléments culturels qui pouvaient euh, disparaître à travers la tradition orale, mais en les immortalisant à travers le peu que vous avez appris, vous perpétuez cette tradition-là et vous permettrez à la génération à venir de comprendre les mécanismes que les grands-parents, ainsi de suite, ont eu à mener jusqu'à votre situation. Et par ce biais, cet apprentissage permet d'immortaliser le passé. Voilà ce que j'ai compris à travers le témoignage de ce monsieur, que je salue très fort d'ailleurs. Merci, docteur Corot. Euh, nous allons revenir euh, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Maman Bachir, vous représentez la direction de la promotion des langues nationales. Bachir, vous pensez qu'on peut enseigner la langue maternelle peut bien naturellement enseigner la langue nationale, comme nous sommes en train de le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que nous enseignons dans les classes ici au Niger depuis 1973. Et depuis lors, il n'y a jamais eu de rupture. Nous avons commencé avec une seule classe avec une seule langue, sur les 11 que nous comptons aujourd'hui, Dieu merci, à ce jour, nous avons plus de 5500 classes bilingues, plus de 10 000 enseignants qui ont été formés. Et de ces 11 langues que nous avons, 8 sont aujourd'hui outillées. Qu'est-ce que cela veut dire Dans les classes de première année de ces, écoles bilingues, nous avons les 8 langues qui sont en train d'être expérimentées. Les Hausa, les Kanuri, les, les Fulfulde, les Armand les Tamashek, les Boudouma tout dernièrement, les Boudouma, les Toubou et les Gourmandchema. Tous ces langues-là, elles ont été outillées. Cela veut dire à l'ère où nous sommes, nous avons toute la documentation possible qui nous permet d'enseigner dans ces langues-là, qui nous permet d'enseigner les mathématiques dans ces langues-là, qui nous permet d'enseigner l'histoire, elles ont toutes été codifiées, elles ont un alphabet, des lettres, elles ont une grammaire, elles ont un orthographe qui règle leur écriture. Bref, nous avons tout ce qu'il nous faut pour enseigner dans nos langues, pour faire de nos langues d'enseignement véhicule du savoir et véhicule de la science. Nous allons poser la question au directeur de l'école bilingue, M. Seydou Tama. Comment se fait la fréquentation des enfants Ils n'ont pas de difficultés euh, à votre niveau Ok, merci. <coughs> Vraiment, eh, au niveau, n'est-ce pas, de ces classes bilingues-là, les élèves, eh, ils sont toujours à l'école. Vraiment, eh, c'est une fréquentation très, très bonne. Et les parents ne sont pas réticents Vous savez, dans toute chose, quand toute nouvelle chose, donc, il y, y, a des réticences. Mais à travers, n'est-ce pas, des sensibilisations, les parents ont compris l'avantage même, n'est-ce pas, de cet enseignement-là. On les a vraiment, à travers ça, on les a expliqué que, vous voyez, avec eh, l'enseignement des langues, là, c'est-à-dire ils peuvent même suivre leur enfant à la maison. En tout cas, il y a tellement d'avantages euh, dans cet enseignement-là. Et ils ont compris, et Dieu merci, aujourd'hui, vraiment, la fréquentation, elle est très bonne. Merci, M. Tama. Écoutons cette fois-ci le témoignage de Cheibou depuis Dosso. C'est le fruit d'une école Zarma à Dosso, actuellement encadreur dans une organisation non gouvernementale. Et aujourd'hui, peut-être la difficulté, c'est d'abord au niveau des parents qui peut-être leur conception, euh, ce n'est pas euh, apprendre à l'enfant la langue maternelle au niveau de l'école qu'il connaît déjà à la maison. Alors qu'aujourd'hui, la connaissance que les gens font euh, au niveau de la maison, elle est différente de ce que tu vas apprendre au niveau de l'école. Au niveau de l'école, d'abord, il y a la transcription, vous voyez et aujourd'hui, à travers la transcription, tu sais écrire. Tout ce que tu es en train de dire, tu sais l'écrire. Ouais. Alors qu'au niveau de la maison, c'est juste l'oral que les gens se connaissent. Et aujourd'hui, au niveau de la transcription, à partir de l'école-là, tu vas comprendre ce que c'est que même ta langue. Et il y a beaucoup de choses dans ta langue aussi que tu vas, tu ignores à la maison, que tu vas connaître au niveau de l'école. Et aujourd'hui, eh, si on prend l'exemple, nous, notre cas, lorsqu'on avait commencé au niveau de l'école primaire, eh, et, l'école, ce n'est pas, au début, ce n'est pas l'école expérimentale, on disait ça l'école Zarma. Donc, il y a même un complexe avec d'autres élèves des autres établissements qui commencent avec le français. Vous voyez Donc, ils disent que c'est comme si nous, c'est juste notre langue que nous maîtrisons, que nous sommes en train encore d'apprendre. Vous voyez Et c'est dû à ça qu'aujourd'hui, eh, il y a beaucoup de, parents qui n'envoient pas leurs enfants au niveau eh, de ces écoles-là expérimentales ou des écoles charmantes. Donc vraiment, c'est des difficultés. Alors que l'idéal recherché au niveau de, la langue, non seulement il y a la valorisation de la langue maternelle, et aussi ça va faciliter l'apprentissage de la langue étrangère qui est le français. Parce que nous avons eh, des preuves, nous, au niveau de notre école, on était chaque fois les premiers des promotions. Vous voyez Et c'est dû au fait que nous maîtrisons d'abord notre langue maternelle. Et miraculeusement, beaucoup d'entre nous sont sortis dans le domaine littéraire. Ça veut dire qu'ils maîtrisent même le français, plus que même la langue maternelle qui a été le fondement de notre apprentissage. Merci, Monsieur Sedou, depuis Dosso. Docteur Koro, pensez-vous qu'apprendre juste la langue officielle du pays peut favoriser la réussite scolaire de son enfant Avant de répondre à, cette question, euh, nous allons euh, nous inspirer des exemples édifiants d'autres contrées. Quand vous prenez le continent asiatique, les Asiatiques se sont limités à leur langue et à leur écriture. Mais cela n'a pas empêché quand même qu'ils aient atteint un stade de développement aujourd'hui où on sait que la Chine est en train de rivaliser la première place avec, je ne sais pas, les États-Unis. Cette conjugaison d'apprendre dans sa langue maternelle est un atout. Mais aujourd'hui, le fait de voyager pour aller dans d'autres contrées vous oblige aussi à apprendre d'autres langues de toutes les façons, ça un Apprendre plus pour mieux vous épanouir, connaître l'autre, sa culture. C'est en ce moment que vous pouvez mesurer la portée de votre propre réalité. Et en cela, connaître, enseigner une autre langue est toujours un plus, un bonus. Alors, ce que nous faisons ici, chez nous, à travers ce témoignage-là, lorsque vous apprenez à écrire votre langue maternelle, votre langue primaire, c'est comme si, en tout cas, du point de vue des parents, vous refusez d'accéder à ces postes et que tout un père aime son fils atteindre. Ministre, directeur, médecin, enseignant, directeur de banque, ainsi de suite. Alors, quand vous apprenez la langue nationale, là, vous n'irez nulle part. Ça, c'est les sentiments des parents. Ils ne savent pas que quand on dit apprendre, ça englobe beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec le système, disons, traditionnel, familial. L'apprentissage, quel qu'il soit, c'est une ouverture, c'est une porte que n'importe qui peut accéder pour atteindre le savoir. Et par ce biais, la meilleure façon d'accéder à ce savoir-là, c'est justement nos langues primaires. Et nous sommes très fiers d'avoir un ministère, une direction qui s'intéresse justement à nos langues nationales au point d'avoir 5500 classes bilingues. Je ne sais pas si les gens voient un peu la portée de la chose, le travail abattu par rapport au matériel, à la fourniture rédigé, conçu rédigée et mise à la disposition des élèves et même des apprenants. Alors, cela tout simplement pour dire que le fait d'apprendre dans sa langue nationale n'empêche pas à l'individu apprenant aussi d'évoluer dans une autre. langue. Et d'ailleurs, le directeur qui est là va nous le confirmer parce que l'école bilingue, on a quand dit bilingue, ça veut dire deux langues. Aujourd'hui, je suis à Difa, je parle Kanouri. Si j'ai la chance de voler dans son école, on parle Kanouri, on parle Zarma. Si je vais à Tilaberi, étant Kanouri, je suis à l'aise. Donc, vous voyez, apprendre une autre langue, ce n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un avantage. Mais, mais d'abord, maîtriser sa propre langue. Et vraiment, monsieur, je vous encourage. Parce que euh, je n'ai pas fini. Vous êtes journaliste. Et dans ce problème-là, c'est surtout vous les journalistes qui évoluez dans les langues nationales. Vous êtes un peu mal vu par rapport aux autres journalistes. Euh, qui, ce n'est pas euh, pour vous mêler, mais c'est un constat. On a vu que dans, dans, dans, dans ce que vous faites, hein, il y a un peu plus de considération au niveau de ceux qui parlent les langues étrangères que ceux qui parlent les langues nationales. Je crois que ça, c'est un complexe. Au studio, on intervient dans presque toutes les langues, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde en Tamashek. Chapeau alors, chapeau alors. Mais c'est ce que nous constatons au niveau des, des langues, euh, enfin des, offices nationaux, où il y a un privilège au niveau de ceux qui parlent le français. Et ça, c'est un complexe. Il faut dépasser ce cadre de complexe-là. Merci, docteur. Monsieur Maman Bachir, vous représentez le ministère de l'Éducation nationale. Êtes-vous de cet avis La maîtrise de la langue nationale, ou bien vous dites peut être oui, un facteur de réussite scolaire Je partage cet avis et je suis d'ailleurs de cet avis. Parce que quand on revient au témoignage euh, que nous venons d'écouter, maintenant, il y a un aspect très important me dit, la langue maternelle qui est à l'école, la langue primaire, là, elle est différente de celle que les gens pensent penser à la maison. Parce que ici, c'est une langue qui a été codifiée. Il y a un travail qui a été fait en amont. Et maintenant, il dit que les résultats dépassent de loin les résultats de ses collègues qui ont suivi le système traditionnel. Une manière de vous dire dans l'enseignement bilingue, on parle de l'introduction des langues nationales à l'école, mais les gens ne font pas attention. Non, comme l'avait dit Tonton, Docteur Koro. Docteur Koro, nous savons bien qu'avec nos seules langues, nous ne pouvons pas. On peut évoluer, mais on ne peut pas être dans, une, dans la sphère mondiale. Il nous faut aller vers une autre langue, euh, une, autre langue, euh, probablement une, langue euh, internationale, une langue de grande diffusion, comme on les appelle comme ça. Maintenant, voilà pourquoi, si vous voulez, si vous me permettez, je vais essayer de vous décliner un peu le, le schéma bilingue, c'est comment on est en train d'organiser les choses comme vous le savez, nous sommes dans une réforme. Dans ces mois, nous sommes en train de réformer. Nous sommes en train de transformer toutes nos écoles en écoles bilingues. Donc, pour vous dire que notre réforme, elle a comme l'un des axes principaux l'introduction des langues nationales. Et nous sommes dans un processus de généralisation, nous sommes dans une phase d'extension avec les 5000 écoles et de généralisation. Même et cette réforme, hein, ça a débuté depuis quand La réforme a débuté depuis 2005 parce que vous savez, il y a des préalables pour faire une réforme il faut d'abord définir un curriculum pour dire comment ça doit se faire et maintenant les techniciens vont travailler pour essayer de les mettre en œuvre. Maintenant, concrètement, c'est à partir de 2015-2016 que la première classe de la réforme a ouvert ses portes. La première classe de la réforme, donc avec les 500, avec 500 écoles, on a lancé avec 500 écoles. Ce sont ces 500 écoles, maintenant on a évolué, on est à 5500. Donc nous sommes dans l'extension. Parce que vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Et maintenant, vous faites un, pas en avant, il faut aussi regarder, parce que c'est une nouvelle chose, il faut sensibiliser, ça demande beaucoup d'argent. Donc, voilà pourquoi je vais revenir pour essayer de vous expliquer. En première année, quand on introduit la langue nationale, elle est moyenne d'enseignement. Donc, on utilise la langue nationale comme médium. Tout ce qu'on va enseigner, les mathématiques. Et parallèlement, il y a le, le français qui est là parce que nous parlons de l'enseignement bilingue que nous introduisons comme matière le français est matière ici, donc on enseigne le français à l'oral. À partir de la deuxième année, maintenant on va introduire... La deuxième année, donc, euh, le, CP. CP. Voilà, on va introduire mhm. la lecture en français. Déjà, ces enfants-là, ils savent parler le français. Ils ont le code aussi, parce qu'ils ont l'alphabet en langue nationale qui n'est pas trop différent de l'alphabet en français. Donc, il y a un petit travail à faire et directement, ils vont essayer de lire et comprendre déjà au CI ils parlent le français comme ils l'ont étudié en tant que matière. Et ainsi de suite, à partir de la troisième année aussi, nous continuons avec les langues nationales comme moyen d'enseignement médium. Et maintenant, à partir de la quatrième année, lorsque les, le les, e les e lorsque les, les apprentissages de base ou bien les apprentissages fondamentaux, ils sont assis. Donc, on a une base dans notre langue nationale. Maintenant, à partir de la quatrième année, on va faire les, langues nationales et le français deviennent co-médiums. Donc, on fait 50-50 et maintenant, à partir de la cinquième année, la langue euh, nationale, elle va devenir matière avec peu de temps. Et maintenant, on va continuer avec le français. À ce moment-là, on suppose. Le français doit continuer avec euh, le français à quel niveau De la cinquième année, on continue avec les français. Oh, Mais les langues nationales. Comme là, moyen, Oui, comme moyen. Comme moyen, comme médium. médium. Donc, c'est la langue d'enseignement. Le français va être la langue d'enseignement. Et maintenant, la tendance est renversée, les langues nationales, on ne va pas laisser ça, mais elle devient juste une matière. Voilà un peu comment nous organisons les choses. Voilà un peu, si vous voulez, les chemin bilingues que nous préconisons pour essayer de rassurer les parents qu'on ne va pas se cantonner dans cette langue-là. Euh, elle, seule, ça, elle va nous permettre d'asseoir euh, les apprentissages fondamentaux de base avant d'accéder au français. Et la science a montré, quand vous maîtrisez votre langue, déjà docteur Corot a dit, il est plus facile pour vous d'accéder à, une seconde langue. Merci, Monsieur Maman Bachir, auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangou. Nous parlons de l'importance de la langue maternelle dans l'éducation. Ah oui, alors pour nous édifier, nous avons autour de cette table Docteur Kouraou. Il est anthropologue et il est en même temps membre d'un groupe d'études et de recherche en langue nationale. Nous avons aussi Seydou Tama. Il est directeur à l'école primaire Madina 3. C'est une école bilingue et le représentant du ministère de l'Éducation nationale, particulièrement la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales. Monsieur Seydou Tama, pensez-vous que la maîtrise de la langue primaire est un facteur de réussite scolaire Mais bien sûr, parce que vous avez vu dès la première année, donc euh, l'enseignement n'est pas fait dans la langue de l'enfant. Donc euh, vraiment, ça facilite à l'enfant de comprendre tout. Il n'a pas de problème de compréhension pour les apprentissages. En termes aussi de, de résultats, Vraiment, ces enfants-là, ils amènent des résultats très probants par rapport au. Il faut faire une comparaison avec euh, le traditionnel. C'est-à-dire ce ne sont pas des résultats qu'il faut comparables. Oui, docteur Koro. Il y a un constat qu'il faut faire. et, si vous remarquez dans la vie active, la plupart de ces gens-là qui évoluent dans l'informel, Hein, les, réparateurs de cellulaires et autres radios. C'est des gens qui n'ont jamais été à l'école, cette école, euh, je veux dire, euh, occidentale. C'est leur simple euh, curiosité qui fait qu'ils arrivent à réparer des appareils téléphoniques là, des radios, pour lesquels ceux-là même qui ont été à l'école n'arrivent. Comment pouvez-vous expliquer cela Ça veut dire que ces gens-là, c'est des génies en herbe. Et parce qu'ils n'ont pas étudié dans l'autre langue là, il y a quand même la matière, alors ils se trouvent dans ce système informel dans lequel ils évoluent. Cela reconforte cette manière d'encadrer les apprenants dans nos langues primaires. Alors, ces messieurs qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais appris une autre langue et qui sont dotés d'une intelligence, si, tel que l'a dit monsieur le directeur, s'ils apprennent les rudiments, hein, un enseignement en langue, mais ces gens-là deviendraient des génies. Et nous, justement, c'est ce que nous recommandons pour le moment, ils ont déjà bien compris et ils sont en train de mettre en place ce dispositif-là. Et dans ce dispositif-là, il n'y aura pas de chômeurs tels que les fabriques, euh, ce système, euh, je veux dire, classique occidental. Vous allez voir des, bacheliers, des maîtrisards, des doctorants hein, au chômage. Alors qu'avec ce système-là, non. Docteur Koro, y a-t-il des conséquences sur la non-maîtrise de la langue maternelle, sur notre culture Absolument. Parce que la culture, c'est la maison de l'être humain. Et le support de cette culture-là, c'est la langue. Vous pouvez imaginer une culture qui bafoue sa langue, mais elle est appelée à disparaître. Donc, il est inconcevable d'évoluer sans sa langue, pour la simple raison que cette langue, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Donc, une fois que d'un revers de la main, vous niez votre langue, vous niez conséquemment votre culture. Et celui qui perd sa culture, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Ce n'est pas un être humain, puisque aucun être humain ne peut euh, se passer de cette culture-là. Donc ça veut dire qu'il est tout sauf un être doté d'une intelligence. C'est votre <laughs> avis. Monsieur Maman Bachir, vous représentez le ministère de l'Éducation nationale. Que pensez-vous des parents qui préfèrent s'exprimer à, la maison en langue française Que pensez-vous de ce comportement des parents La plupart des parents qui sont maintenant, c'est des parents qui, qui ont été, qui ont passé par l'école hein colonial, si on peut l'appeler ici, ou bien par, ces, par les dispositifs traditionnels que nous connaissons de formation, qui est l'école, l'école des Blancs, si on peut l'appeler comme ça, qui ont éduqué dans ce sens. Et je pense que c'est, c'est un complexe, c'est un complexe. Parce que quand vous regardez, comme l'a dit docteur Koro à un certain moment de son intervention, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé dans la langue de quelqu'un. Donc, une manière de dire il nous faut nous aussi revenir vers ces langues nationales-là. C'est vrai, il y a un travail à faire. Nous, nous, avons commencé, nous allons continuer, d'autres vont venir pour le faire. Ce qui est sûr, le français et les autres langues n'étaient pas au développement qu'ils étaient ici, qu'ils sont maintenant, s'ils n'ont pas passé par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça, c'est des complexes et nous allons essayer, avec des résultats, de montrer aux gens que la seule voie pour se développer il faut passer par ces langues maternelles, par ces langues premières. Merci, M. Maman Bachir. Euh, Seydou Tama, vous êtes euh, le directeur de l'école bilingue Madina 3. Que pensez-vous de l'attitude de certains parents qui préfèrent euh, échanger le français avec leurs enfants à la maison l'on dit <laughs> mes prédécesseurs. <laughs> C'est vraiment un complexe pour moi. Et vraiment, et puis ça, ça, ça détruit l'identité vraiment de, la personne. Parce que on a dit, tout le monde a, en unanime que la langue maternelle, donc c'est l'identité de la personne. Maintenant, en dehors de ça, si on, amène encore une autre langue qui n'est pas la tienne, donc vous c'est que ça, ça peut engendrer. <laughs> Donc vraiment, c'est pas une bonne pratique. Merci, M. Sedutama. Docteur quels sont vos conseils pour revaloriser notre culture, euh, faire la promotion de nos langues locales Bon, je crois que l'exemple des personnes invitées ici le reflète, parce que monsieur est le représentant du ministère, donc le représentant de l'État. Et ici, c'est une institution qui est là nous aussi. Alors, si l'État prend conscience de cela, je crois que les problèmes seront résolus. Et sur ce plan, il faut le féliciter d'avoir pris cet engagement-là qui peut être euh, inscrit comme euh, un principe de bonne foi. Seulement, il y a un problème. Lequel c'est celui de la sensibilisation qu'il faut intensifier. Parce que tout à l'heure, les intervenants euh, que vous nous avez passés là, il y a, comme nous sommes dans un pays où l'analphabétisme est de mise, il y a un programme de sensibilisation qu'il faut envisager et entreprendre à l'endroit des parents d'élèves. Que cet enseignement qui est dispensé au niveau de leurs enfants ne va pas en fait perturber leur à venir, nous sommes dans une logique de développement et que cette logique de développement ne peut en tout cas évoluer de manière positive sans faire recours à ces langues primaires-là. Et je crois que des exemples sont là, des exemples édifiants. Il suffit tout simplement au niveau donc des responsables politiques de s'inspirer de ces exemples-là pour mieux argumenter et leurs propos dans le cadre de cette sensibilisation. -là. Et je crois que à travers les résultats édifiants qu'ils vont avoir, il n'y a pas de doute que les parents d'élèves vont adhérer à cette politique d'utiliser les langues primaires comme étant des langues de connaissance, des langues scientifiques. Pour la simple raison que nous, notre exemple, nous ne sommes pas linguistes. Mais c'est par la force des choses que nous avons compris cette langue Hausa là que certains ignorent. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne se sont pas intéressés. Alors qu'il y a une classification qui est faite sur la puissance de l'armement, sur la, le, volume de la population, et selon les résultats de notre étude, sur la base de cette langue Hausa-là, nous avons compris que toute cette classification est erronée. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une langue, une langue mère, à partir de laquelle dérivent toutes les autres langues. Et cette langue Hausa, nous sommes arrivés à la conclusion que cette langue Hausa est la proto-langue. je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes membre d'un groupe d'études et de recherche en langue nationale. En langue nationale, c'est cela. C'est pour vous dire que si nous n'avions pas eu justement cette volonté de chercher, de chercher et de comprendre, nous, n'atteindrons pas justement les résultats, enfin, cette hauteur de vue de la langue Hausa par rapport aux autres langues. Et pour vous donner l'exemple, si nous considérons le principe selon lequel le premier être humain a été créé, vous allez comprendre que la langue Hausa est la seule habilité à expliquer à travers le nom-là, effectivement, comment cet être-là a été conçu et fabriqué. On parle de malaxé, de boue, d'amour. On ne dit pas quoi, je parle de Adam. Alors, si vous prenez trois expressions, en Adam, là, c'est une situation. En Adam, c'est un état. Adam. Et là, vous voyez. Ça, c'est trop technique. Hein. Oui, en fait, c'est pour vous dire que l'importance de cette langue-là, lorsqu'on s'y intéresse, vous voyez le résultat. Et c'est un nom. Et vous allez essayer cette gymnastique-là avec toutes les langues de ce monde-là. Vous n'arriverez jamais à ce résultat qui corrobore avec justement comment cet être-là a été créé. Donc, ça veut dire que lui, il est considéré comme le premier être. Et voilà comment il a été conçu. Et rappelez-vous aussi quand le bon Dieu voulait l'élever au-dessus des gènes. C'est à travers la parole. Et vous voyez que cette parole-là, c'est elle la parole primordiale. Et nous avons pu décoder ce terme de Adam-là à travers la langue Hausa et ça coïncide avec justement la manière de, de, Voilà. Alors, une autre et situation qui, nous reconforte dans notre recherche et c'est aussi une manière d'inviter les uns et les autres à s'intéresser à leur langue nationale. et par rapport à cela, nous sommes arrivés à faire une classification de toutes les langues de ce monde-là en trois catégories. Il y a les langues que nous appelons proto-langues, comme la langue Hausa, mhm. et il y a la langue que nous qualifions de dérivée, et puis dérivés des dérivés qui sont des résidus. Alors, ces dernières langues-là ne vont pas résister. Aux... Mais la dérivée aussi, elle va partir. Seule va subsister la langue mère. Et figurez-vous que la langue Hausa, c'est la langue mère. Je vous assure, personne n'est à mesure de financer cette langue-là. Docteur Koro, cette euh, étude fera l'objet de notre forum. Donc, euh, quelqu'un qui ne valorise pas sa langue, ça veut dire qu'il nie sa culture. Donc, euh, nous avons intérêt à valoriser nos langues nationales. Auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a pour thème l'importance de la langue maternelle dans l'éducation. Nous étions dans ce studio avec un euh, Dr Korao et M. Maman Bachir. Il représente euh, le ministère de l'Éducation nationale. M. Seydou il est le directeur de l'école Madina 3, une école bilingue. Et à la technique, c'était Seni Isaka. À la réalisation vidéo, c'était Mustafa Ayouba. À la modération, je suis Hamed Sidibalkissa. Au plaisir de nous recevoir chez vous pour un autre rendez-vous du forum du studio Kalango.